Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés dans une vingtaine de départements du Niger ainsi que dans toutes les capitales régionales grâce à un réseau de 34 radios partenaires. À vous pouvez nous suivre sur Alternative FM 99.4 MHz, Quarteg FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz notre page Facebook euh, Studio Kalangu, notre site internet euh, www.studiokalangu.org. Bienvenue dans votre euh, émission phare, le forum du studio Kalangu. Le forum est un espace à travers lequel nous faisons appel à des personnes ressources dans le but essentiel d'apporter des réponses appropriées à vos préoccupations de tous les jours sur des questions d'actualité ou de société. Nous vous proposons aujourd'hui le thème Les enseignements de l'islam et du christianisme sur le divorce. Le divorce est un fléau qui affecte bon nombre de personnes ou groupes de personnes, notamment les femmes et les enfants qui sont les couches les plus touchées par les conséquences des divorces. Dans certains cas, c'est même l'avenir des enfants dont les parents sont séparés qui est systématiquement hypothéqué, considéré comme étant une rupture formelle d'un mariage civil ou religieux le taux de divorce augmente de plus en plus et survient vite au point où certains couples se séparent en moins d'une année de mariage. Il est à préciser qu'en droit, la question du divorce fait l'objet de beaucoup de clarifications. On distingue ainsi la séparation de corps qui est juridiquement reconnue, mais qui laisse subsister le mariage de la séparation de fait. En droit, le divorce est par ailleurs différent de l'annulation du mariage qui consiste à déclarer que celui-ci n'a jamais eu lieu. Mais puisque le mariage est beaucoup plus considéré au Niger comme étant un acte religieux que civil, nous allons partir en profondeur dans cette optique pour aborder ce phénomène social. Comment ces deux religions définissent-elles le divorce quelles sont les causes du divorce, quelles sont les conditions dans lesquelles il est permis de divorcer, quelles sont les démarches à suivre pour divorcer Existe-t-il des étapes préalables de négociation ou de médiation Que faire en cas de manque de consensus, c'est-à-dire si une des deux parties ne veut pas divorcer qui peut prononcer un divorce pour qu'il soit validé Dans quelles conditions la décision peut-elle être définitive Existe-t-il des obligations à court ou long terme pour l'un ou l'autre des conjoints divorcés avec ou sans enfants que faire pour remédier à ce problème et mettre les ménages à l'abri de ces fâcheuses et multiples conséquences C'est à toutes ces questions et à plein d'autres euh, que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse au cours de ce forum qui reçoit aujourd'hui comme invité Cheikh Abraham Aboubakar qui est le président du comité de dialogue inter et intra-religieux, c'est dire Cheikh euh, Salam alaikum. Nous avons du côté des chrétiens le révérend pasteur euh, Issa Moussa. Il est de l'Alliance des missions et Église évangélique euh, du Niger. Amen. Pasteur, euh, bonsoir. Bonsoir. Nous avons un troisième euh, invité que nous avons en ligne. Il s'agit d'un consultant dans les questions d'ordre islamique, euh, le docteur Seydou Touré, qui a eu à gérer plusieurs cas de divorce au niveau de l'association islamique du Niger. Docteur, salam alaikum. salam. À la présentation, Michel Dégé. Cheikh, euh, nous allons commencer avec vous. En islam, euh, comment est-ce qu'on peut définir euh, le divorce Louange à Allah, le clément, le miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager, le prophète Mohammed, sur sa famille et ses fidèles compagnons. Avant toute chose, je voudrais renouveler mon remerciement au studio Kalongo mm. et à, tous ses auditeurs sur l'ensemble du territoire national. Et le divorce en islam, j'ai docteur euh, Seydou qui sont non seulement dans la pratique au quotidien, mm. mais qui aussi un spécialiste. Le divorce en islam, c'est la séparation. Mm entre les époux, le mari et la femme, mhm. qui sont unis et du point de vue de la l'égalité islamique mhm. par l'union qu'on appelle le mariage. Mhm. C'est c'est un contrat, c'est plus qu'un contrat, c'est une alliance. Dans la mesure où le mariage est, est le fondement de la société. C'est l'élément qui cimente la vie en société. Sans mariage, il n'y aura plus de famille. Sans famille, il n'y aura plus de communauté humaine, il n'y aura plus de société mm. humaine. Le mariage doit être fait suivant la norme islamique. Mm-hmm. Donc il faut qu'il y ait d'abord mariage pour qu'il y ait divorce. Le divorce met fin donc à ce qu'on a cette institution qu'on appelle le mariage. Hum, hum. Les causes peuvent être multiples. On va arriver aux causes, pasteur, avec vous également. Qu'est-ce qu'on peut tirer du christianisme Donc, euh, je bénis Dieu le Tout-Puissant pour cette grâce qu'il nous fait d'être en vie et d'être là pour parler de cette thématique. Hum, donc, euh, tous mes remerciements donc, au studio Kalangu. Merci. Et vraiment, toutes mes bénédictions à ceux qui sont à l'écoute de ce programme. Mhm, donc, euh, le divorce, vraiment, c'est. C'est un problème aujourd'hui, c'est quelque chose qui est d'actualité. Mhm. Mais par définition, quand on prend dans le cadre du mariage, c'est une rupture d'alliance. Mhm. Un renoncement à un serment entre un homme et une femme unis dans le lien de mariage. Mhm. Donc, euh, pourquoi je parle d'alliance, de, euh, de, serment Parce que le mariage, c'est pas quelque chose qui émane euh, d'un individu, mhm. parce que c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Mhm. Parce que nous savons que lorsque Dieu a créé l'homme, donc avant, avant l'homme, il a créé les animaux, il a tout créé donc euh, aux animaux. Donc, il a, donné à chaque animal une femelle. Et lorsque Dieu a fait venir les animaux devant Adam pour les, nommer, mhm. Dieu a constaté quelque chose dans la vie de Adam, la solitude. Mhm. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Il n'est pas bon qu'un homme vive seul. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a pensé à faire à l'homme ce qu'on appelle une compagne, mhm. quelqu'un qui va le compléter. Parce que la femme, comme je dis, elle vient de l'homme, comme la parole de Dieu le dit. L'homme a été endormi et Dieu a pris une de ses côtes. Et nous voyons que le côté même que Dieu a pris, c'est ce côté-là où se trouve le cœur, le côté le plus proche, le plus sensible de la vie de l'homme. Donc c'est pourquoi la femme, comme euh, la Bible le dit, donc elle est là pour compléter l'homme. Elle est là pour assister l'homme. Et c'est pourquoi Dieu lui-même l'a dit à l'homme et à la femme. Voilà l'ordonnance. À partir de ce lien, de ce mariage-là, que l'homme, donc, quittera son père et sa mère. Ça, c'est le mariage, l'union. Oui. Maintenant, le divorce. Oui, j'arrive. Mhm. J'arrive. Je, viens au, d'abord au, mhm. divorce. Mhm. Donc, pour voir que vraiment, le mariage, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que nous devons honorer que l'homme quittera tout et il va prendre soin de son épouse. Mhm. Mais nous voyons que le divorce selon la Bible, il n'y a pas là où c'est écrit que l'homme peut divorcer comme ça. Comme je l'ai je donné la définition, donc c'est une, une, rupture d'alliance, de serment mhm. entre l'homme. Mhm. Mais il y a une cause. Mais Dieu même a dit que si tu peux supporter, la cause du divorce. Là, cet engagement, ce n'est pas l'institution, l'Église, mhm. c'est vous qui allez vous engager dans cette situation. Mhm. Parce que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mhm. Donc nous voyons que, et, quand nous prenons le peuple de Dieu, à un certain moment était venu auprès de Moïse pour dire non, voilà nos femmes, voilà, voilà, voilà. Ils ont tellement fait pression sur Moïse, c'est que Moïse leur a dit que alors vous pouvez maintenant divorcer. Mhm. Et lorsqu'ils étaient revenus encore au temps de Jésus-Christ, donc ils ont demandé à Jésus quand est-ce que nous devons divorcer. Et nous avons vu que Moïse nous-mêmes nous a ordonné de divorcer. Et Jésus a dit non. Le divorce n'intervient qu'en cas d'infidélité. Mhm. S'il y a une infidélité entre de la femme ou bien de l'homme, l'un d'eux peut demander le divorce, peut quitter. Mhm. Mais Jésus a dit qu'il est bon de pardonner et de vivre ensemble. Mhm. Donc vous voyez, donc ici, quand on voit le mariage, comme c'est sacré, n'est pas le, divorce ne doit pas intervenir. Le divorce ne doit pas intervenir. Pourtant, nous avons plusieurs cas de divorce euh, qui tombent ça et là, et c'est malheureux souvent. Nous avons en ligne le docteur euh, Seydou Touré Docteur, euh, comment vous vous expliquez ce phénomène euh, qui prend de plus en plus d'ampleur euh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah rahman Allah, Seigneur de l'univers, par essence et par excellence. Et comme mes collègues l'ont dit, et surtout euh, Cheikh mhm. donc le divorce, c'est la, la, dissolution du lien conjugal. Mhm. En s'adressant à son épouse pour lui dire « tu es répudié » ou d'une façon détournée. Mhm. Va chez tes parents, avec l'intention de la répudier. Mais ce qu'il faut comprendre, Allah a dit dans le Saint-Coran, at fa mhm. Donc Allah a dit que vraiment, on ne peut divorcer que deux fois. Donc euh, là, le divorce est vraiment autorisé pour soulager l'un de deux conjoints pour un préjudice comme on l'a dit vraiment, donc, euh, c'est pour, pour le divorce aussi, il y a des conditions à remplir, comme vous avez dit, on va tenter de parler de ça. Mhm. Mais s'il faut voir les choses clairement, les divorces de nos jours ne, ne se passent pas comme l'islam l'a recommandé. Quelles sont les conditions dans lesquelles l'islam propose finalement le divorce euh, quand il n'y a pas de solution L'islam recommande de faire recours un au tuteurs. Mhm. Vous savez, pour euh, célébrer le mariage, il y, a eu deux, tuteurs de deux côtés. Du côté du jeune marié comme du, côté de la jeune mariée. S'il n'y a pas entente, il faut revenir à ces gens. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut faire aussi, parce que je vous ai dit, Dieu a dit, où on garde son épouse et on la traite convenablement, Où on lui rend sa liberté avec bonté. Mhm. Le prophète lui dit, quand vous répudiez vos épouses, accordez-leur une période de viduité dont vous, dont compterez les jours de ce délai. Donc, partant de là, nous savons que vraiment, même pour répudier, parce comme Allah même l'a dit, on ne doit pas oublier le bon moment passé entre les deux couples. Mhm. Il faudrait vraiment cette euh, générosité, cette considération qui existe entre les deux époux, il ne doit pas l'ignorer en se quittant. Parce que, comme on l'a dit, s'il y a une qui donne, c'est vraiment lui, il méprise, c'est le divorce. On le fait pour se soulager. Mais en se soulageant, on doit garder un, vraiment, euh, un climat serein climat, comme l'autre euh, a dit, la femme, c'est non seulement euh, une sœur, une mère, une fille, une copine et une épouse. Mhm. L'homme aussi, l'homme aussi, c'est vraiment, c'est le père, c'est le frère, c'est le camarade, c'est l'ami, et vraiment c'est l'époux. Mhm. Et là maintenant, si on enlève l'époux, les quatre doivent rester. Vous parlez en même temps de répudiation et de divorce. Quelle est la nuance qu'il faut en faire Vous savez, en islam, quand on parle vraiment de divorce, et la répudiation. Mais sur le truc occidental, il y a deux, il y a deux euh, définitions. Mais en islam, dès qu'on dit à la femme, rentre chez toi, avec l'ensemble de divorce, c'est une consommation de divorce. Il n'y a pas à dire que vraiment c'est la séparation de c'est une séparation de quoi, c'est pas le divorce en islam, on n'a pas deux langages ou deux vraiment vocabulaires différents. Quand on parle de divorce, c'est ça la répudiation aussi, mhm. même automatiquement. Parce que, comme, je l'ai dit, on dit qui est répudié. C'est ça. Mais les gens disent, les gens font l'amalgame dans la chose. Donc, raison pour laquelle eh, les gens ne font pas parfois, d'autres même viennent au niveau de l'association, qui disent que vraiment, non, il y a eu un premier, j'ai dit seulement de rentrer sur la réputation. Non, comme je dis en islam, dès que vous ouvrez, si c'est l'écrit, si vraiment vous dites que vraiment, je vous divorce, mais je vous répudie, c'est fini, c'est vraiment, ça rentre dans le cadre de divorce. Maintenant, c'est qu'il faut répudier combien de fois pour que réellement on puisse être dans une situation qui ne permet pas de reprendre la personne comme épouse. Dieu a dit, hmm. Quand vous répudiez une, première fois, vous avez une seconde chance. David faut pas toucher les deux cordes. Vous dépensez deux fois. Demain, tu te fais dire que tu Troisième fois, c'est consommé. Il n'y aura plus de mariage entre vous. Il faut qu'elle se marie, qu'elle divorce pour que vous rappeliez pour une seconde épouse. Mhm. Ou pour, votre épouse. Parce que dès que vous divorcez votre femme trois fois, et que vous reprenez parce que d'autres maintenant, Savez qu'ils viennent vraiment, parfois vraiment, pour se, je sais pas, repentir. Non, je l'ai dit deux fois, mais la troisième, c'était. Non, il n'y a pas de question. Quand vous êtes lucide, et vous, vraiment, vous savez ce que vous êtes en train de dire. Donc, vraiment, c'est une seule. C'est vraiment, vous avez raté toutes vos chances. Raison pour laquelle nous devons très attention. Ce n'est pas à tout moment, parce que surtout avec les jeunes d'aujourd'hui, pour, lui ou pour nous, c'est le mot divorce qui sort. Mhm. Et ils consomment parfois trois fois sans s'y rendre compte. Il y a des gens qui disent aussi qu'ils ont divorcé trois fois. Est-ce qu'il y a la faisabilité à ce niveau Selon euh, les différentes tendances, mmh. selon les grandes écoles, et, vous voyez, autant il y a deux savants qui disent non. Même si on dit ça, d'un mhm. seul coucher du pied, trois fois, d'autres non, on considère ça une seule fois. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment parce que c'est, euh, je sais pas, fâché, mais au temps euh, Omar Boun Khattab, il a dit non, les gens blaguent avec vraiment ce lien. Mhm. les, gens, les gens blaguent avec le mariage. Celui qui vraiment s'efface pour dire qu'il a, il a répudié sa femme trois fois, on doit considérer comme ça. Raison pour laquelle, maintenant, euh, on voit si vraiment la personne le dit dans la couleur, il y a une personne qui dit que non, on l'accorde une seconde chance. Donc c'est comme s'il a dit une seule fois. Mhm. Voilà. Donc vraiment, il y a plusieurs écoles qui c'est... Il y a une euh, vraiment euh, divergence de, de, point de vue sur ça. D'autres disent non, il n'y a pas de problème. On le considère comme il a dit ça une seule fois. D'autres disent non, pour vraiment être rigide, pour être vraiment euh, euh, euh, en, conformité avec la règle, il faut vraiment le considérer comme ça divorcé trois fois. Il y a des points de divergence à ce niveau. Donc, nous allons revenir à vous, docteur. Et, Cheikh nous voyons donc ce problème tel que présenté par le consultant, le docteur Seydou Touré. vous, selon vous, quelles sont les causes du divorce au niveau de la famille, mais aussi au niveau de la société de façon générale Vous savez, les causes du divorce varie en fonction des époques. Mm-hmm. Chaque époque vient avec ses problèmes, ses histoires. Aujourd'hui, dans la société où nous vivons aujourd'hui, mm-hmm. vous pouvez constater que rien que ce cellulaire peut être à l'origine de beaucoup de divorces. Rien que le cellulaire à l'époque des prophètes et autres, il n'y en avait pas. Mhm. Donc, euh, il y a l'influence de l'argent. Il y a la politique. Mhm. Il y a euh, plein, plein, plein de, facteurs euh, qui sont propres à nos sociétés. Mais revenons à l'institution même du mariage. Mhm. Chez les musulmans, on dit que pour qu'il y ait mariage entre deux personnes, on met comme première condition que ces deux êtres s'entendent, mm-hmm. s'aiment. Dieu dit lui-même qu'il a mis de l'amour entre les époux. Mm-hmm. L'amour. Donc cet amour est fondamental. Mm-hmm. le, jour où cet amour s'effrite, le jour où cet amour n'est plus réciproque, ça peut mettre ce mariage en péril, ça peut aboutir au divorce dire que l'amour, c'est fondamental dans le mm-hmm. mariage. Mm-hmm. Le jour où il n'y a pas d'amour, ça peut aboutir vraiment euh, à, un divorce. Et il y a aussi le fait de sortir mm-hmm. de la législation islamique. Si les époux vivent, mènent une vie, ou l'un des époux mène une vie en contradiction avec les prescriptions de la foi ça peut aboutir au divorce. Mhm. Lorsque la vie de l'un des époux mhm. est en danger à cause de ce mariage, cela peut aboutir à, mettre euh, au, divorce. Mhm. Mais tout ça, c'est des causes objectives fondamentales. Mais aujourd'hui, il y a d'autres causes, telles que la non-vérité. Par exemple, les gens ils ne se sont pas aimés, mhm. mais aussi ils ne se sont pas dit la vérité. Ils ont masqué des choses. Voilà, ils ont masqué un certain nombre de choses. Par exemple, toi, tu peux aller louer mhm. votre grand boubou, très cher, le louer pour une journée, votre bonnet, mhm. louer une voiture luxueuse, louer une villa louer, louer même les costumes des, des, des, jeunes mariés et des jeunes, des jeunes gens qui vous accompagnent, mhm. louer les assiettes, louer tout, tout, tout pour faire le mariage. La jeune mariée de son côté aussi peut aller louer une robe, etc. Donc voilà que nous avons rendu notre mariage, bâti notre mariage sur du faux. Même ici à Niamey, euh, c'est venu un moment, les gens commençaient à emprunter des robes, etc., et des costumes. Mhm. Mais on ne peut pas construire le mariage sur du faux. Donc, lorsque c'est construit sur du faux, tôt ou tard, la vérité finira par jaillir et le couple aura du mal vraiment à s'entendre. Pasteur, oui, un mot par rapport à ça. Vous avez dit qu'il y a un seul cas, c'est le cas de l'infidélité. Sinon, outre ce cas, on peut dire que le mariage est indissoluble, si je comprends bien dans le christianisme. Oui, parce que le mariage en milieu chrétien, c'est quelque chose qui se prépare. Mhm. Parce que et quand deux jeunes gens s'aiment, d'abord il y a ce qu'on appelle le temps de fiançailles, mhm. où vraiment ils seront suivis par les responsables de l'Église. Il y a une durée pour ça oui, oui, il y a une durée. Il y a certains deux mois, d'autres trois mois. Il y a des... Ça peut aller, hein, ça dépendra. Mhm. Parce que ça sera des moments de prière. Mhm. Parce que le mariage engage l'institution. Vous voyez, comme ça engage l'institution, alors il faut un suivi. Donc, ça sera un temps de prière, un temps de jeûne pour ce couple-là, pour voir est-ce que c'est la volonté de Dieu à ce qu'ils se marient mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier la volonté de Dieu. Donc, euh, et avec ce temps, donc si vraiment c'est la volonté de Dieu, le, quel que soit le temps, donc ces jeunes couples arrivent à s'entendre et maintenant l'Église tout entière s'engage pour la célébration du mariage. Mhm. Et vous voyez, le mariage chrétien, commence, euh, ça, comment on le célèbre au moment des alliances. Ce ne sont pas donc euh, les parents qui vont venir ou les représentants des parents, ce sont eux-mêmes qui vont s'engager. Mhm. Donc, quelle que soit la situation, ils disent non, nous sommes prêts à vivre ensemble. La célèbre formule pour le meilleur <laughs> et pour le pire. Non, moi je ne peux pas parler du meilleur et du pire, mais que ce soit dans les moments bons ou dans les moments difficiles, que ce soit dans un moment d'invalidité de l'un ou de l'autre, je suis prêt à rester avec la personne. Ça, c'est une alliance que tu as faite devant Dieu. Mhm. Et tu t'engages. Et l'autre aussi s'engage. Donc, s'il y a rupture, c'est vous qui le, c'est vous qui allez rompre, mais pas quelqu'un d'autre. Donc c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, donc les gens s'étaient approchés, le peuple de Dieu, le peuple israélite s'était euh, donc approché de Jésus. Jésus a dit voilà la condition. Mais c'est que j'ai à vous dire que si tu peux pardonner, c'est bon de rester avec ton épouse. Mhm. Et nous voyons que, et quand nous lisons un peu dans les Écritures avec euh, l'apôtre Paul, il a attiré l'attention des gens. Donc Paul et le frère et Chèque a touché un peu, c'est-à-dire que en cas de chute de l'un ou de l'autre, mhm. si vraiment ça peut faire entrave à ta foi, ça peut t'éloigner de ta foi, mhm. donc là, c'est à toi de voir ce que tu peux faire. Mhm. Parce que si donc, on fait influence, il faut que vraiment je quitte ma foi pour qu'on puisse rester ensemble. Là, tu as le choix, la vie ou le mariage. Quand vous parlez de la foi, il s'agit de la religion. Ah hein, oui, oui, voilà, c'est ça le problème. Et nous voyons le plus souvent, c'est la femme. Par exemple, si l'homme a quitté la foi, mhm. maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pression Tu quittes, tu fais ma foi ou bien tu quittes ma maison. Donc là, la femme, elle a un choix à faire. Mhm. Vous voyez Parce que Paul lui-même, il a dit, ces cas peuvent arriver. Donc quand ces cas arrivent, donc maintenant, c'est à nous de discerner pour prendre la vie ou le mariage. Mhm. Vous voyez bien. Donc, euh, c'est pourquoi je dis le seul cas, c'est le cas d'infidélité. Mhm. Mais même si vous n'êtes pas de, la même foi, donc lui, il pratique l'autre foi, et toi, tu pratiques ta foi, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez vivre ensemble, selon les Écritures. Nous revenons donc euh, à vous, docteur euh, Seydou Touré à votre niveau, de façon spécifique, vous gérez les ah. questions de divorce euh, musulmans, bien sûr, il faut le préciser. Alors, quelles sont les démarches que les gens entreprennent avant d'arriver à vous par rapport à, ces questions de divorce et comment est-ce que vous arrivez à leur apporter des solutions appropriées Donc, euh, la première des choses, c'est entre vraiment les deux couples. Hum. Quand tu n'arrives pas à s'entendre, c'est euh, au niveau des parents. Bon, de nos jours, maintenant, les jeunes, ils ne même pas aux parents ils viennent directement au niveau de l'association islamique. Là, quand ils se présentent au vraiment marabout, la première des choses, on écoute les deux parties. Quand on écoute les deux parties, on essaie vraiment de les réconcilier, mhm. de trouver une solution. On les renvoie. Maintenant, on le dit maintenant, même aussi vraiment aux, aux jeunes mariés, aux maris, de retourner chercher sa femme auprès de ses parents. Oui ça peut prendre deux semaines, ça peut prendre un mois, ça peut prendre deux mois. Oui. Pour chercher vraiment assez, vraiment réconcilier. Dans le cas s'ils n'arrivent pas à s'entendre, après un mois, deux mois de cela, ça sera le tour maintenant d'appeler les parents même. Mhm. Quand les parents viennent maintenant, on va essayer vraiment de conjuguer les efforts. Et après, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est en ce temps-là vraiment on va essayer vraiment de prononcer le divorce entre les deux, entre les deux jeunes. Vous prononcez ça comment Dès que le mari dit que vraiment c'est fini, il veut plus, on, essaie de reconstruire la femme dit que elle ne peut plus supporter. On essaie de reconstruire, il n'arrive pas, les parents viennent, il n'arrive pas. Là maintenant, on va essayer vraiment d'appeler le mari. Il faut les deux, en présence de deux, vraiment de deux. Hum. Et on dit maintenant, voilà, on établit le certificat de divorce. S'il y a des enfants donc, le mari prendra la charge des enfants d'un an, mais de zéro, mais de mois, mois, mhm. jusqu'à six ans révolus. Donc, à partir de 7 ans, le, père peut récupérer les enfants. Mais les enfants restent à la charge vraiment du, euh, du père. Ça veut dire que pour que le divorce soit prononcé, il faut forcément que le couple passe par l'association islamique. Est-ce cela Obligatoirement. Et lorsque, le couple est très éloigné, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ben, Comme vous savez que vraiment, eh, la société islamique est implantée dans tout, presque dans tout le Niger, mhm. là, on peut vraiment dire leur conseiller d'aller trouver les représentants de la société islamique dans mhm. les autres localités. Tout à fait. Maintenant, vous, docteur, quand les gens viennent, euh, qu'est-ce qu'ils expliquent comme cause par rapport euh, à leur décision de divorcer La première cause, il faut, il faut les reconnaître, c'est la démission totale des parents. Hum. Parce qu'aujourd'hui, le mariage est devenu un jeu entre dans les mains des enfants. Il faut tout le monde vraiment, on est tous d'accord, là-dessus. Aujourd'hui, quand il y a mariage, c'est les enfants qui fixent la date, c'est les enfants qui fixent les dates. Hum, hum. Ouais, ça c'est un. Deux, il y a le mensonge des jeux des, des, des, des, maris. Parce qu'on prenne tellement vraiment des responsabilités, on fait vraiment des engagements, on fait vraiment des promesses. à un mois ou bien à deux semaines, toutes ces promesses-là s'envolent. Et là, vraiment, les problèmes commencent dans le foyer. La déception, donc, on peut dire. Déception totale, la déception. Il y a parfois le mariage euh, euh, par intérêt. Oui. Quand les parents, parce que X est riche, on donne, on donne vraiment sa fille à ce monsieur et sans connaître le, monsieur. Mhm. Donc, il y a le match par intérêt qui pose ces genre de problèmes encore. Et surtout, il y a la méconnaissance de l'un et de l'autre. Des, jeunes, des jeunes gens qui se voient dans la rue, deux jours, trois, trois jours, un mois, ils se marient. Mhm. Et il y a un problème. Parce qu'ils ne se connaissent pas, ils sont vus dans la rue, et ils pensent que vraiment, la vie conjugale, c'est la vie des rues. C'est la vie vraiment, quand vraiment on est en train de courir les filles. Mhm. Donc, dès que vraiment, ce changement de nom, parce qu'on est plus célibataire, on a fondé un foyer, dès qu'il commence à goûter cette vie, donc il y aura un vraiment un changement total et vraiment désaccord entre les deux couples et ça traîne le divorce. Mhm. Maintenant, docteur, une fois que vous accordez le certificat de divorce, est-ce qu'il y a lieu de revenir vers l'association islamique si les deux parties arrivent à trouver un terrain d'entente Quand on prononce le divorce, mhm. jusqu'à trois, mois, la femme, elle peut revenir à son mari sans mhm. problème. Mhm. Deux qui s'entendent, donc il n'y a, pas vraiment à faire attacher. Non, non, il peut vraiment. Mais il faut ce doivent savoir, il y a déjà euh, il y a une corde qui est cassée. Mhm. Donc, il leur reste deux chances. Mais si ça dépasse les trois mois, les IDA dont on dit, là, on est obligé vraiment de leur faire, de faire vraiment un minime euh, vraiment attachement. Mhm. Mais sinon, elles peuvent vraiment, ah, elles peuvent vraiment, se, euh, vraiment On prendre le divorce le même jour, une semaine, elles s'entendent, il n'y a pas de problème. Donc, ils peuvent continuer à vivre ensemble mais ça sachant très bien qu'il y a eu un premier divorce. Mhm. Docteur, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport euh, aux données, puisque vous avez euh, travaillé plusieurs fois dans le cadre justement de ces questions de divorce Est-ce qu'on peut avoir des chiffres qui prouvent que réellement le nombre de personnes qui décident de divorcer augmente On le confirme, parce que comme je vous ai dit, l'année passée, il y avait plus de 700 cas de divorce, mhm. mais euh, comme de janvier maintenant à février, on ne peut pas vraiment dire qu'il y, a un grand nombre. Mais ce qu'il faut dire, il y a trop de divorces à Niamey. Ça, c'est vrai. Il y a tous mhm. trop de divorces. chaque fois, le nombre, il faut qu'augmenter. Mais comme les gens pensent que dès que vous venez à la société, qu'on vous donne le divorce. Non. Mais il y a plusieurs tentatives de réconciliation. Mhm. Mais ce qu'il faut dire, c'est une réalité. Le nombre de divorces ne font que s'augmenter jour en jour. Docteur, euh, après votre décision, il y en a qui fassent recours à la justice. Euh, est-ce qu'il vous arrive de faire face euh, à ces cas On arrive à faire ces cas, comme vous le savez. Parfois même qu'ils retournent au niveau de, au niveau de, la justice. La justice, non, déjà, il y a l'association qui a, qui a tranché. Et donc, vraiment, on ne peut vraiment que, étant vraiment une coutume musulmane, on ne veut, on veut que vraiment vous référez à la société islamique. Mhm. Ça, des gens qui, à une fois venus, ils vont dire, ah non, non, ils ne sont pas d'accord. Mais quand ils retournent, ils verront que vraiment c'est presque la même chose au niveau vraiment de la justice aussi. Mhm. Euh, nous, on n'a pas vraiment à avoir de problème avec la justice. On s'entend très bien avec la justice. Mhm. Et la justice vraiment respecte euh, parfois les, vraiment les verdicts tombés par vraiment l'association islamique. Mais il n'y a pas de mésentente entre nous. Est-ce que, docteur, vous avez des cas difficiles euh, des enfants à gérer après le divorce qui ont des conséquences fâcheuses Quelles sont les conséquences graves qu'on enregistre après le divorce euh, de façon générale Ce qu'il faut se dire, vraiment, c'est rendre ces enfants orphelins avant que leur père ne décède, mais leur mère ne décède. Mhm. Parce que c'est ça qui est choquant parfois. Mhm. Vous avez, à cause vraiment de deux couples qui vivent, ils vont mettre ces enfants, la vie, l'avenir des enfants, en sombre. Mhm. parce que ces enfants n'auront plus vraiment cette tranquillité, cette fraternité paternelle et maternelle, parce que s'il y, y, a une affection euh, paternelle et maternelle, mhm. vraiment, ça fait euh, évoluer même la croissance de l'enfant et l'intelligence. Mais vraiment, dès que l'enfant a un problème de vraiment de, de ses parents, l'enfant même à l'école aura des problèmes. Il est vraiment traumatisé par l'acte de ses parents. Raison pour laquelle vraiment les parents qui ont, qui, qui, qui, ont des enfants, les couples qui ont des enfants, doivent vraiment réfléchir mûrement avant de avant de passer à l'acte de divorce. On a l'impression qu'il y a aussi des effets néfastes du côté de la femme surtout. Parce que quand euh, vous goûtez à la vie conjugale, mhm. vous êtes responsable chez vous, vous faites ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous donnez ce que vous mangez, mais une fois retourné à la maison, vous allez trouver vraiment les sœurs et même socialement, la femme sera mal vue parce qu'elle sera approchée d'une manière ou d'une autre hmm. qui ne qui vraiment la rend pas vraiment très très vraiment dans ses, dans, assiettes. Elle ne sera pas vraiment une femme complète, une femme respectueuse, parce que vous savez que vraiment, chez nous, une femme mariée, vraiment, le mot ou bien le sobriquet vraiment mariée là, la protège beaucoup. Mais une fois divorcée, tout tombe. Cette robe qui la protège est partie elle sera presque nue parce qu'elle peut être abordée par n'importe qui. Hmm. Et vraiment, ça rend, ça traumatise aussi la femme et ça vraiment, ça rend vraiment très, très, très, très, très dépressée dans sa vie. Docteur, on remarque qu'il y a parfois parmi les deux conjoints un qui ne veut pas divorcer. Que faire lorsqu'on arrive à enregistrer ce type de cas Il faut faire en sorte que vraiment, il se comprennent parce que c'est vrai, quand on dit qu'il faut vivre, il faut vivre ensemble, on dit il faut se bagarrer. De raison pour laquelle euh, il faudra même en cherchant à réconcilier, il ne faut pas chercher vraiment à creuser vraiment, je sais pas, euh, la plaie, mais il faut essayer vraiment d'une manière, avec sagesse, les gens peuvent revenir. Mais si vraiment les parents se mettent à voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, ça ne va jamais résoudre et ça ne veut que vraiment approfondir la plaie vraiment de ce couple. Des conseils pour terminer, docteur Le conseil, il faut vraiment révaloriser notre culture, mm-hmm. il faut revaloriser nos coutumes, il faut que les parents prennent le mariage en main et vraiment pour qu'on revienne sur le mariage d'antan. Quand je dis mariage d'antan, le mariage, de vrai mariage avec des conseils. Parce qu'aujourd'hui, les enfants se marient sans conseil. Mm-hmm. On sait avant, pour se marier, on peut prendre plus de trois mois en temps vraiment de former eux, le jeune marié et la jeune mariée. De mm-hmm. nos jours, il n'y a plus cette formation. Les gens je dis que vraiment, les parents doivent prendre les choses en main pour bien orienter les jeunes mariés. Docteur, nous vous remercions. Merci beaucoup. Alors, euh, Cheikh Abraham, nous revenons encore à vous. Quelle analyse faut-il faire de cette situation et quels conseils faut-il donner J'ai remarqué, euh, j'ai apprécié toute une liste que le docteur euh, a dressée mhm. concernant les causes, jusqu'à ce qu'il parlait du fait que le couple ne prenait pas le temps nécessaire pour se connaître. Mhm. Et il y a aussi, j'aimerais ajouter à cette liste, le fait que, on, il l'a dit lui-même en mhm. partie, on est en train de nous européaniser, de mhm. nous éloigner, de nous occidentaliser, de mhm. nous éloigner trop de, nos coutumes. Et si vous remarquez, dans, en islam, le mariage est encadré par euh, les émissaires. Il mhm. a dit autant, pas des délégués, autant lors de l'union que lors du divorce. Mhm. Dieu dit En cas de problème, envoyez des émissaires, de délégués mhm. des deux côtés. C'est parce que l'islam veut encadrer ce divorce, ce mariage. L'islam veut protéger ce mariage. Mhm. Dieu dit même que halal mhm. Si la, chose licite la plus détestée par Dieu, c'est le divorce. Mhm. Donc c'est quelque chose de licite, Dieu le reconnaît que c'est euh, le, dit c'est licite, mais c'est quelque chose de licite mais qui est détesté par Dieu lui-même. Donc le mariage euh, doit être bien scellé. Et non seulement il faut respecter toute cette liste que le docteur a dressée, mais aussi, je vais ajouter, il faut aussi connaître notre religion. Tout à fait. que dit notre religion, puisque nous disons que nous pensons, nous croyons que nous sommes des croyants, soit mm-hmm. musulmans, soit chrétiens. Mm-hmm. que dit notre religion mm-hmm. par rapport à ce mariage On ne prend pas le temps de connaître tout cela. On dit souvent que eh, la semaine qui est consacré pour consommer le mariage nouveau a été défini parce que dans le Coran, la sourate Al-Fatih contient sept versets. Il paraît que les gens disent que c'est pour que chaque jour euh, euh, le marié puisse mhm. enseigner mhm. à, la mariée inversé jusqu'à 7 jours. Mhm. Bon, ça peut être aussi l'inverse, parce que les femmes aussi sont instruites. Et c'est oui. que c'est l'homme qui n'est pas instruit. Donc, moi, j'ai dit, on ignore notre religion, on ignore nos coutumes, mhm. on ignore le mariage même pourquoi on le fait. docteur l'a dit, on le laisse maintenant aux mains des enfants. Le mariage est trop sérieux pour le laisser aux mains des enfants. Mhm. Il faut enseigner le mariage je ne dis pas à l'école, mais en tout cas, il faut créer. Il y a des écoles du mari maintenant. Mhm. Ça ne doit pas s'adresser seulement aux, hommes mariés qui maltraitent. Il y a aussi des femmes qui apprennent à devenir Voilà. Mhm. Quand tu vas à la Mecque, il y a des écoles qui t'apprennent à faire la Mecque. Mhm. Mais le mariage, c'est aussi important. Pourquoi ne pas créer des, une école de mariage. Les gens sont de plus en plus jeunes à se marier. Pourquoi ne pas les envoyer, je ne pas, dans certaines écoles ou bien créer karma des centres pour ça et puis délivrer un certificat pour s'assurer que vraiment cette personne est mûre, cette personne est, mature pour pouvoir conduire euh, un foyer. Donc, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce matin, je suis allé à un mariage mm-hmm. où le, couple est un expatrié. Mm-hmm. Les deux. L'autre, c'est une Nigérienne, mais ils étaient en Europe. Mm-hmm. Mais ils étaient tous là, devant nous. Mm-hmm. Ils sont venus au niveau du. Un magasin civil ou un magasin religieux C'est un fatia. Un magasin religieux, oui, fatia. Mm-hmm. Donc, pour vous dire que vraiment tout ça, c'est des innovations qui permettent vraiment d'amener les, gens à prendre conscience. Moi, j'ai vu dans certains pays comme au Sénégal, euh, dans certains parties du Sénégal, on amène les, couple marié, couples mariés. Mhm. On leur dit tout ce qu'il faut euh, qu'ils entendent mhm. pour consolider le, mariage. Le mariage, n'est pas seulement entre deux couples, c'est entre deux familles, c'est entre deux communautés, c'est entre deux villages, c'est entre euh, euh, toute une société. Mhm. C'est tout un pan de la société qui est lié ici. Donc on, ne doit pas le laisser sans l'encadrer. Moi, je pense que l'État doit vraiment prêter attention au mariage, parce que ça peut être l'une des causes de l'effritement de notre société. Ça doit faire partie, on parle de, renaissance de plus en plus, ça doit, euh, la restructuration, mhm. l'encadrement du mariage devrait faire partie vraiment de d'un des moyens de renaissance de, notre société. Il y a donc beaucoup d'efforts, vous pensez, pour euh, pouvoir remédier à ce problème. Pasteur, un mot pour terminer. Nous sommes pratiquement à la fin de ce forum. Ok, merci beaucoup. C'est très intéressant. Vraiment, si on peut avoir deux ou trois heures de temps. Vraiment, parce que c'est quelque chose euh, nous voyons qu'il est en train vraiment d'entraîner notre société dans, un, dans une situation qui est déplorable mm-hmm. parce que ça a beaucoup de conséquences, le divorce. Et comme je l'ai dit, donc, à milieu chrétien, donc, le mariage se prépare. Donc, et ça prévient le divorce parce que vous êtes préparé. Voilà ce que Dieu a dit mm-hmm. dans sa parole. Parce que si nous prenons, voilà ce que Jésus a dit quiconque quittera sa femme et épousera une autre comète ?» l'adultère. Mm-hmm. Et nous savons que Dieu dit les adultères n'hériteront point du royaume de Dieu. Mm-hmm. Donc voilà, il y a tout cet enseignement qu'on donne. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le ah, paradis. C'est-à-dire le paradis. Mm-hmm. Donc il y a tous ces genres de, d'arsenal de, de, qu'on donne aux, aux, couples pour se préparer en cas de situation. Donc la meilleure solution, c'est de s'entendre. Et c'est pourquoi je dis l'Église est engagée, les parents sont engagés. Maintenant, c'est la, quand il y a problème, c'est la médiation. une chose coûte que coûte qui est réconciliation mhm. et non dissolution. Un conseil donc. Euh, ma, donc ma prière est que les gens puissent vraiment considérer que le mariage c'est pas un jeu. Le mariage c'est un engagement que tu as pris donc euh, à l'égard de Dieu. Mhm. Et tout engagement envers Dieu doit être honoré. Mhm. parce que notre vie en dépend. Donc, euh, que Dieu fasse en sorte que tous ces couples qui traversent ces tempêtes, ma prière est que Dieu les visite, afin que ce couple-là soit restauré par Dieu. Merci donc à vous, chers invités. Merci également, chers auditeurs, vous qui êtes euh, nombreux à nous suivre. Nous avons abordé aujourd'hui la question du divorce, euh, les enseignements du christianisme ainsi que de l'islam. Nous avons eu comme invité le cheikh Braham Aboubouka qui est président du comité de dialogue inter intra-religieux, c'est dire. Nous avons également le révérend pasteur Issa Moussa qui représente l'Alliance des missions églises évangéliques du Niger Amen. Et nous avons eu en ligne le docteur Seydou Bouboukar Touré qui a eu à gérer plusieurs cas de divorce au niveau de l'association islamique du Niger. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce forum est à présent terminé. Nous retenons qu'il faut continuer les efforts au niveau de la famille, au niveau de l'État et au niveau de tous les acteurs, notamment les leaders religieux et autres, afin donc de pouvoir apporter des solutions idoines aux problèmes de couple qui sont aussi des problèmes de société de par les impacts qu'ils laissent ces divorces donc avec les femmes divorcées et les enfants dont le mariage de leurs parents ont été dans une situation de dissolution. Merci à vous tous. Passez une excellente soirée. Au revoir.